À la une, Macky à Touba cet après-midi, dernier magal en tant que chef d'État. Aucun rassemblement de prévu pour l'accueillir. Les activités politiques sont désormais interdites dans la cité religieuse. Sabotage du réseau de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Les trois présumés coupables à la barre du tribunal de grande instance de Durbel ce matin. Elles sont jugées en flagrant délit pour destruction de biens appartenant au public. Affaire Ousmane Sonko, maître Siré Clé semble confirmer son confrère Juan Branco. Il reconnaît que des actions politiques et diplomatiques sont menées pour la libération du leader du parti dissous, PASTEF. À suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Fama John, juste après les sports avec Cher Tidiane et la revue de presse de Youssouf Bodjan. En fin d'édition, le journal du Magal de Georges Détchédiop. Bonjour à tous. Le président Macky Sall est attendu cet après-midi à Touba, mais la nouvelle laisse indifférent plusieurs habitants de la ville religieuse. Il n'y aura pas de rassemblement pour l'accueillir puisque le Khalif général a interdit toute activité politique. Les avis sont toutefois partagés sur la politique de développement du chef de l'État à Touba. Euh, reportage de l'un de nos envoyés euh, spéciaux. Mamoudou Marba. L'atelier de Moussa est sur la route principale qui mène à la grande mosquée. Ce cordonnier dit respecter les directives du calife, pas de rassemblement en lien avec la politique. Nous allons respecter ces directives. Quand le calife interdit une chose, on ne s'en approche pas, personne ne nous détournera de ça. Euh, peu importe ton rang ou tes avoirs, nous allons nous concentrer sur la religion et notre travail un peu plus loin Bailaï marche à pas feutré tout blanc vêtu ce septuagénaire est un inconditionnel du président de la République. Euh, s'il vient à Touba, on doit bien l'accueillir parce qu'il a beaucoup fait pour la ville. il n'a jamais oublié Touba. Et c'est ce que Sirin Touba veut qu'on accueille comme il se doit ses autres. Vraiment, je lui souhaite le meilleur je ne compte sur personne je gagne ma vie à la sueur de mon front euh, il n'a rien fait pour moi je ne sais rien de lui Dieu l'a mis à la tête de ce pays. Plusieurs investissements ont été faits ces dernières années dans plusieurs secteurs clés, mais le problème des inondations persiste au moment où Macky Sall entame sa dernière visite en période de Magal en tant que président de la République. Mamadou Marba Touba, Radio Futur Média. Les auteurs présumés des actes de sabotage du réseau de l'ONAS à la barre ce matin. Il s'agit de trois dames arrêtées mercredi dernier à Touba par la section de recherche de Thiès. Elles sont jugées en flagrant délit au tribunal de grande instance de Durbel, poursuivies pour euh, destruction de biens publics suite à une plainte de l'Office national de l'assainissement. Le sabotage du réseau avait causé des perturbations au quartier Ndam de Touba. Le khalif général des Mourides avait euh, cédé en leur faveur. Les Baïfal, eux, sont à pied d'œuvre pour faire respecter les normes établies par le Khalif. Il est exigé des talibés d'être corrects. Se rencontrer par Neymati Djang se plie aux règles. Reportage. Il déchire une casquette sans hésitation. Ce Baïfal, Anthony Diaras, de grand chapelet autour du cou, porte fièrement ses rastas. Il se dit prêt à tout pour faire valoir les règlements du calife. Le calife a interdit les capes criss-cross. Il a interdit aussi toutes sortes d'alcool, et la drogue et le tabac. Il a interdit sur le territoire de la ville sainte. Il a interdit aussi euh, les perruques, les greffages et cheveux naturels. Il a interdit aussi. Après quelques pas, nous avons franchi le portail de la grande mosquée de Touba. Ici, tous ceux qui veulent y accéder se doivent d'enlever leurs chaussures, signe de déférence. Mbaïdiaï est un jeune que nous y avons trouvé, assis, regardant les travaux entrepris dans ce majestueux lieu de culte. Il se plie aux normes. Heureusement, nous avons toujours eu l'habitude d'être corrects. Nous ne portons pas de chaîne ni de tenue efféminée. Ce sont les règles du mouridisme et c'est à respecter. De même que ce groupe de jeunes femmes, toutes voilées et bien habillées. waaw waaw pare nañ si bañ pose ongle pose cils ay fente lettu mère greffage. boo duggee ci jumaa ji. bu raay bunt bu raay ay karo. Ce sont les interdits de la religion appuyés par le calife Serigne Mountakha Mbacké Bachir. Et à moins d'une semaine du Grand Magal de Touba, l'effervescence règne au garage Mouri de Pétieba de Kaolak. Par contre, les fidèles jugent les prix du transport trop élevés. Fatoumbo à Kaolak. Le départ en direction de la ville sainte de Touba s'accompagne de chants religieux au garage Mourid de Pétieba, chez Serigne des foules d'usagers se pressent ici et là, tandis que les apprentis déchargent les bagages pour ceux qui refusent de payer le tarif fixé. Sorna Astou, une fidèle mourite, choisit de partir très tôt pour éviter les désagréments tant pour elle que pour ses enfants. J'ai des enfants, c'est pour cela que je pars très tôt afin d'éviter le calvaire sur la route. Quant à Anta, une autre cliente, elle suit le même itinéraire, mais elle critique la hausse du prix du transport. On prépare le Déjà, je suis en route pour ah. aller aider la famille qui là-bas. Oui, euh, le tarif euh, euh, coûte cher. D'habitude, on paye à 1500, mais aujourd'hui, c'est à 2500 francs. Vous voyez, cette augmentation du tarif est liée à la hausse du prix du carburant et d'autres facteurs, selon Morphal et Papdong, deux acteurs du secteur du transport. L'augmentation du prix du carburant est à l'origine de cette situation vous voyez, à cela s'ajoute les Versailles. Les préparatifs du Grand Magal de Touba battent leur plein au garage mouride de Pentiba. Les fidèles se dirigent déjà vers la ville sainte pour répondre à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul. Radio Futur Média cette période euh, du euh, Magal a été mise à contribution pour euh, sensibiliser, sensibiliser pardon, les jeunes sur les dangers de la route et la responsabilité du chauffeur pour éviter les accidents de la route. En ce sens, plus de 120 jeunes ont été formés à, Bombay, une initiative du 3FPT. On écoute à ce propos Serena Sec, le responsable du 3FPT Zone Centre. Il est interrogé par Baba Babacar Oui, aujourd'hui, nous sommes là avec... Euh, avec les bénéficiaires euh, que nous avons accompagnés dans le cadre même de la formation en sécurité routière, qui sont au nombre de 162 ici même à Bambay, mais aussi discuter avec eux sur les potentialités quand même euh, qui tournent autour même de la sécurité routière, les sensibiliser surtout prévenir euh, les accidents même euh, que nous avons constatés depuis un certain moment euh, au niveau national. Effectivement, c'est une période où véritablement il y a une densité au niveau du trafic, une densité qui fait qu'il était tout à fait normal qu'on puisse quand même en profiter, sensibiliser les jeunes, les nouveaux jeunes qui, qui vont bénéficier de leur permis, comment se comporter euh, en face même hein, des, autres, euh, des autres automobilistes et comment faire des tests sorte qu'on puisse quand même réduire davantage le taux hein, des accidents que nous constatons durant ces périodes, hein, qui sont des périodes vraiment critiques, où la pluviométrie quand même euh, peut quand même impacter sur les pneus, euh, sur certains comportements. Euh, du côté de Durbel, le verdict vient de tomber. Les auteurs présumés des actes de sabotage du réseau de l'ONAS ont été reconnus euh, coupables donc de destruction de biens publics. Elles sont condamnées à trois mois de prison assortie de sursis et une amende de 500 000 francs CFA chacune. À 10h10, à midi et 10 minutes, nous allons tout de suite à Maquet retrouver un de nos envoyés spéciaux. Bonjour Georges détier Oui, bonjour Anna, bonjour à toutes et à tous. À la fin de cette édition, le journal du Grand Magal de Touba est tout de suite le menu. Alors Anna, Touba attend Macky le chef de l'État, arrive cet après-midi dans la cité religieuse. Il y sera jusqu'à demain vendredi. La forte affluence à la grande mosquée de Touba le jour du Magal, un dispositif particulier est mis en place pour prévenir les bousculades. Dans le journal du Grand Magal, la fondation Sonatel qui vole au secours du district sanitaire de Touba à travers un don de deux ambulances médicalisées, cela suite à une sollicitation des autorités locales mairie notamment, qui veut mettre un terme aux évacuations à risque. À tout à l'heure. À tout à l'heure, euh, Georges Détitiop, euh, juste à la fin donc de cette grande édition euh, d'information, midi 11 minutes à toubaï et Maké, où vous nous écoutez sur la 98.4. FM. L'actualité politique. Un des avocats du leader du parti PASTEF dissous, maître Cyril Clédorly, réagit à la sortie de son confrère maître Juan Branco. Ce dernier a déclaré hier dans un tweet que la défense est en train de chercher une solution politique et diplomatique à l'affaire Ousmane Sonko sur instruction même de leur client, Maître Cyril Clédorly dit ne pas pouvoir confirmer ou infirmer ses propos. Par contre, il reconnaît que des actions politiques et diplomatiques sont menées pour la libération du leader de PASTEF. On l'écoute au téléphone avec euh, Elage Je ne peux pas me prononcer euh, sur cela, mais il est clair, et c'est notre devoir, d'essayer de contacter toutes les représentations diplomatiques et papales dans à travers le monde pour que l'on puisse euh, intervenir au niveau de l'État du Sénégal, notamment au niveau du président de la République, pour que l'on puisse s'inscrire dans l'objectif de rétablir un État démocratique et un État de droit. Et aussi obtenir le respect des droits fondamentaux d'Ousmane Son. Donc si c'est dans ce cadre euh, qu'il a parlé, effectivement, c'est notre devoir à tous et nous y sommes, et tous impliqués, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Il est donc en phase avec la défense. Mais euh, selon votre confrère Maître Juan Branco, euh, c'est l'État qui ferme les portes à toute solution politique et diplomatique dans l'affaire Ousmane Sonko. Qu'en est-il Qu'est-ce que vous en pensez Bon, en fait, moi, je pense qu'un État ne peut pas dire je ferme toutes les portes pour entendre raison. Et si cela était, ce serait vraiment irresponsable de la part de l'État. Bon, maintenant, quels sont les interlocuteurs qui ont rendu compte au contraire Bon, je ne le sais pas parce que les actions sont nombreuses, elles sont très diversifiées, n'est-ce pas Et par voie de conséquence, euh, euh, je crois que peut-être un retard euh, de mise en œuvre peut-être des, actions qui sont menées sur le plan national et international peuvent euh, pousser à une conclusion qui peut être peut-être active. Toujours euh, sur cette affaire Ousmane euh, Sonko, une solution négociée en vue des analystes politiques souligne qu'une telle option est bien possible. Ils estiment que les choses euh, pouvaient ne pas en arriver là si le leader de PASTEF avait fait preuve de maturité et d'intelligence politique face au pouvoir. Un dossier signé Babacar Junior Fall. Ousmane Sonko chercherait à trouver une solution politique ou diplomatique à sa situation actuelle, selon un de ses avocats, Maître Juan Branco. Le politiste Abdou Khadr Sanaho pense que le leader de Pasteur pouvait ne pas en arriver là s'il était plus réaliste au début. Un avocat qui parle, il parle toujours au nom de son client. Maintenant, euh, je pense que bon nombre d'observateurs ont eu à indiquer cette voie-là. Il me semble que c'était une voie qui pouvait être prospectée depuis longtemps. Mais apparemment, compte tenu de l'appréciation des forces et des rapports de force, le passé et son leader avaient pensé que c'était pas opportun d'emprunter ce chemin-là. Mais pour l'analyste politique Ousmane Sen, directeur de la radio IKDFM, rien n'est à écarter dans cette affaire Ousmane Sonko. Mais Juan Branco n'est jamais à court euh, d'initiative et aussi ce qu'on peut retenir est qu'un bon opposant aussi, c'est un opposant en vie. Et je pense que tout ce qui peut garder euh, euh, M. Ousmane Sonko en vie aussi, doit être une préoccupation de ses militants, mais aussi de ce régime. Euh, parce qu'aussi, il faut veiller sur la sécurité et la santé de tous les citoyens. Et M. Ousmane Sonko aussi est un citoyen. Et comme disait aussi Machiavel, euh, en toute occasion, la fin justifie les moyens, surtout quand il s'agit de s'attirer les grâces du peuple. Comment maintenant maintenir la grâce du peuple par rapport à ces négociations C'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est précieux. Docteur Abdul ajoute que les les rapports de force ont maintenant changé et c'est bon de discuter. Il me semble que ce c'est pas bête. Ce serait très intelligent que de trouver une issue heureuse par rapport à la situation du PASTEV et la situation du, du président Ousmane Sonko politique ça pourrait être le fait de réhabiliter son parti et de laisser les autres continuer. Diplomatique, ça pourrait signifier aussi bon, qu'il puisse sortir du territoire ou qu'il soit exilé ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Ousmane Sen laisse entendre que le maire de Giguinchor s'est trop laissé emporter. Un excès d'espoir ou d'ambition qui pousse souvent les politiques euh, à tomber dans certains pièges parce que l'homme politique pose chaque jour un piège mais sans changer de sabot et parfois c'est lui-même qui tombe euh, là-dedans. Et du côté de son co comme du côté de pouvoir, en tout cas, il y a un dénominateur dénominateur commun, c'est un peu la précipitation souvent vers euh, l'adversaire. À travers le tweet, Juan Branco souligne que, pour le moment, toutes les portes du pouvoir leur sont fermées. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Cette année, on célèbre la 21e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Les acteurs veulent que la loi sur l'exercice de la médecine traditionnelle soit votée. Ces tradis praticiens veulent être dans la légalité pour apporter un plus au, au secteur. Salimata la loi sur la réglementation de la médecine traditionnelle a été adoptée en 2017 en Conseil des ministres, mais jusque-là, il n'y a pas d'avancée. Selon l'ancien coordonnateur de la cellule de médecine traditionnelle au ministère de la Santé, Aliou Aou, il faut renforcer le plaidoyer pour permettre au Sénégal de disposer de cette loi. Pour des raisons donc, que tout le monde ignore aujourd'hui, cette loi depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, donc six ans même, et toujours à l'Assemblée nationale, ah, ça n'a pas été augmenté. Il y a de cela deux ans, la commission des affaires sociales de l'Assemblée avait réuni l'ensemble des parties prenantes pour voir maintenant quel était euh, le goulot d'étranglement ou les possibilités de faire avancer la loi, mais il force est de reconnaître depuis lors qu'il n'y a pas eu d'avancée. Et ça vraiment sur cette question-là précisément, euh, notre pays, le Sénégal, malheureusement, est à la traîne. La médecine traditionnelle n'aspire pas à prendre la place des médecins, précise Mamadouba pour le secrétaire général de l' des praticiens, ils veulent être impliqués dans les discussions. La loi sur la médecine traditionnelle doit être encadrée. On doit nous associer aux discussions, par exemple, échanger entre autres sur le dosage, les types de maladies euh, à soigner entre autres. Même cette journée euh, de la médecine traditionnelle, euh, vous imaginez, nous n'avons pas été associés, alors que ça allait être bénéfique pour nous, les acteurs. Et pourtant, cette loi pourrait déterminer les limites de la médecine traditionnelle, ajoute Aliou Hao. Non, ce qui allait changer fondamentalement, c'est d'abord de disposer d'un cadre juridique et légal, d'exercice et de pratique, d'identifier et de reconnaître qui est, praticien de la médecine traditionnelle et non praticien, parce que dans la loi, on parle de praticien de la médecine traditionnelle PMT. Maintenant, de lutter, de lutter, de lutter franchement contre la publicité euh, tapage outrancière et à la limite mensongère de ce qui se fait euh, donc aujourd'hui et qui constitue un véritable problème de santé publique. En cette journée dédiée à la médecine traditionnelle, les acteurs plaident pour une réaction rapide des autorités et l'adoption de cette loi pour que les Sénégalais puissent en tirer profit. Direction fatigue les frais de bornage pour les propriétaires de fonciers presque gratuits dans plus de 100 communes du Sénégal. L'objectif euh, du projet Cadastre et Sécurisation foncière et l'Association des maires du Sénégal est de permettre à tout propriétaire d'obtenir facilement un titre d'affection pour être en règle. Des délibérations vont démarrer sous peu dans 12 communes de la région de Fatigue. Correspondance Aminata Goudjabi. Désormais, les propriétaires de terres à usage d'habitation ou champs n'auront plus besoin de débourser beaucoup d'argent pour avoir un titre d'affectation. Les frais de bornage sont revus à la baisse dans 138 communes du Sénégal. Le projet Cadastre et Sécurisation foncière Procasef et l'Association des maires du Sénégal se sont mis d'accord sur un principe de quasi-gratuité des actes de délibération. Mustafa Khan, chef d'unité de mise en œuvre du Procasef dans le bassin arachidier. Il vaut mieux de les régulariser et de les comptabiliser dans la base de la commune et leur permettre d'obtenir leur titre sécurisé. Les fourchettes varient entre 2500 et 7500 selon la zone pour les zones d'habitation et à l'hectare, ça varie entre 5000 francs et francs à l'hectare selon les hommes. Ces nouveaux prix fixés n'agréent pas certains élus locaux. Les communes situées en zone rurale ont des recettes très faibles, a fait savoir Marcel Fay, président de la commission domaniale de Palmarin. Les communes ne vivent que des taxes. Donc donner les gens des papiers de délibération sans, sans frais vaut mieux continuer avec l'ancien système. L'application de ce principe vise surtout à faire taire les litiges fonciers et faciliter l'accès aux populations. Cette mesure va permettre aux communes de pouvoir capitaliser ces montants-là qui sont jugés petits, mais ça vaut mieux de les récupérer que de laisser en rade les propriétaires sans titre qui occupent réellement. Les opérations vont contribuer réellement à apaiser les litiges fonciers et à éclaircir la situation de toutes les occupations avec une cartographie claire. Dans les régions de Fatik et de Djourbel, la date de démarrage des délibérations est fixée. Dans le bassin arachidier, 37 communes sont concernées, dont 12 à Fatik. Aminato Gouyabi, Fatik L'actualité internationale. À midi et 20 minutes, nous accueillons Fama John. Bonjour Fama. Bonjour Anna, bonjour à tous. Le Gabon d'abord, où le général Nguema a été nommé président de la transition. Il s'agit du nouvel homme fort du pays, c'est le général Brice Oligui Nguema. Chef de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée du Gabon, il a été officiellement nommé président de la transition après avoir été porté en triomphe par des centaines de militaires. Les putschistes qui avaient rétabli l'accès à Internet dans la matinée ont ordonné le rétablissement de la diffusion de RFI, France 24 et TV5 Monde, suspendue par le gouvernement de Ali Bongo samedi soir. Ils ont toutefois maintenu le couvre-feu en vigueur depuis samedi. Désormais, Effectif de 18h à 6h au nom de la nécessité de maintenir le calme et la sérénité. Mais les frontières du pays restent quand même fermées et les réactions de la communauté internationale continuent à Rocha, Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, a dénoncé une violation flagrante des principes de l'Union africaine et condamne fermement la tentative de coup d'État comme voie de solution de la crise post-électorale gabonaise. La Chine a appelé à garantir la sécurité d'Ali Bongo, la Russie a fait part de sa profonde préoccupation. Washington a exhorté l'armée gabonaise à préserver le régime civil. La France a condamné le coup d'État militaire, tout comme l'Allemagne qui a évoqué des critiques légitimes et sur la transparence des élections, Anna. En Afrique du Sud, plus de 70 personnes sont mortes euh, suite à un incendie à Johannesburg. Le premier bilan faisait état de 63 morts, mais il a évolué. On parle désormais de 73 personnes qui ont perdu la vie à Anne. Au moins 73 personnes sont mortes ce jeudi dans un incendie qui a dévasté un immeuble de 4 étages dans le centre de Johannesburg en Afrique du Sud. De plus, il y a 52 blessés qui ont été conduits dans différents hôpitaux. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi a été éteint et les pompiers s'activent ce jeudi matin à rechercher d'autres éventuelles victimes. Les secouristes sortaient des corps calcinés de l'immeuble elle les jalongés dans la rue sous des draps ou des couvertures. La cause du drame n'était pas encore connue. La police sur place a bouclé l'immeuble devant lequel des ambulances et camions de pompiers étaient stationnés. On va au Rwanda avec cette découverte d'un charnier de victimes du génocide près d'un stade. Une équipe de construction a découvert une fosse commune au stade Amahoro situé dans la banlieue de la ville de Kigali. Les autorités administratives ont confirmé que les restes de 32 personnes ont été exhumés du site de construction au cours des deux dernières semaines. Le stade Amahoro a accueilli des réfugiés de toute la ville lorsque les tueries ont commencé en avril 1994. Les milices génocidaires outrous de l'époque, les unités militaires policières ont attaqué les bâtiments à plusieurs reprises avant que les libérateurs de l'armée patriotique rwandaise ne les sauvent et les aident à fuir vers le nord de Kigali. En Ukraine, pour terminer, six militaires ukrainiens sont morts dans le crash de deux hélicoptères de combat dans l'est de l'Ukraine où l'armée de Kiev mène une contre-offensive face aux forces russes. Ces incidents, ces accidents sont survenus après la mort de trois pilotes ukrainiens dans la collision de deux avions euh, d'entraînement. Euh, s'est déroulé la semaine dernière Anna. Merci beaucoup, Femme John. C'était le tour d'horizon de l'actualité internationale. Youssouf Dabo du côté de Azam. Donc, euh, c'est vraiment c'est très intéressant comme liste. JFC Guédiawaye Football Club, club de l'élite euh, sénégalaise, a annoncé lundi l'arrivée de nouveaux membres dans le staff technique de son équipe première. Baybadji est désormais le nouvel entraîneur de JFC. Il remplace à ce poste Souleymane Diallo. Baybadji s'est entretenu avec Sodakam. Ancien joueur professionnel et international, El Hajj a évolué au Maroc avec Sporting de Salé et Raja de Casablanca, en Arabie Saoudite avec Al-Wahda et en Turquie avec Sakaria Sport. Il s'est reconverti comme entraîneur en 2008. Il a été adjoint pendant deux ans à Yego, puis entraîneur principal durant cinq ans. Mbaibadji fut également l'entraîneur de Dakar University Club. Il a par la suite rejoint Jambar comme assistant coach. Mbaibadji a succédé à Youssouf Dabo sur le banc de Tungate Football Club aujourd'hui il remplace Souleymane Diallo sur le banc de Guédiawaye Football Club pour deux ans. Le choix de GFC c'est dû au projet qui m'a été présenté par le président du club La Diop. C'est un projet vraiment ambitieux et vu la progression de cette équipe dans le championnat durant ces dernières années et de sa bonne organisation. Concernant les attentes de son nouveau club, le technicien pense pouvoir les honorer. Pour l'objectif qui m'a été assigné, c'est d'aller chercher le titre, gagner le championnat. Football Club club étant une équipe très exigeante, Mbaye rassure les supporters de GFC. Je pense que travailler dans une équipe comme le GFC, qui est une équipe très exigeante, ça m'aide dans ma progression d'entraîneur. D'autant plus que je suis un entraîneur très exigeant dans mon travail. Je resterai moi-même tout en espérant faire des bons résultats pour atteindre les objectifs fixés. Pour mener à bien cette mission, Badji aura comme adjoint Amadou Diallo, préparateur physique Abdoulaye Diagne et entraîneur des gardiens Babacar Ndiaye. Soda tiens, merci. Non à l'immigration clandestine, non aux violences dans les stades et les casses lors des manifestations. Une campagne lancée à Tivaoun, le département de Tivaoun, euh, point de départ des migrants. Récemment, plus de 60 jeunes de Fassbouy ont péri en mer. ASC de Tivaouane a organisé à cet effet un tournoi de foot de la paix pour sensibiliser les jeunes sur ces deux fléaux. Nous allons écouter Matar un des dirigeants ou alors un des organisateurs de cette manifestation, au micro de Chiranta Diop. Donc aux jeunes, nous leur disons que c'est vrai, il faut s'ouvrir, il faut tenter l'aventure, mais il faut le faire dans les règles de l'art. Chercher un visa, prendre un avion et voyager n'est pas interdit. Mais vraiment, ce que nous assistons, ce n'est pas des risques mais c'est même du suicide, parce que nous assistons vraiment à une hécatombe, à une échelle incommensurable. Donc aujourd'hui, on a dénommé ce tournoi tournoi de la paix. C'est pour dire aux gens qu'on peut faire du nametan, qu'on peut jouer, qu'on peut organiser du des tournois dans la paix, dans le fair play et dans la sérénité. Donc nous lançons aux jeunes. Donc la violence ne sert à rien. Il faut tout régler par les voies du dialogue, par les voies du consensus et par les voies de la concertation. Vraiment, nous sommes très attristés parce que nous sommes en train de vivre, parce que ce sont des centaines de jeunes qui meurent dans nos plages et dans les mers. Et cela vraiment est inadmissible. Surtout à Fasboy hein, qui, sont, qui font partie donc, du département de Tuan. aux familles éplorées, nous présentons nos condoléances et prions pour le repos de l'âme des disparus. L'actualité du football euh, cher euh, en Europe, euh, la Champions League, les poules seront connues cet après-midi. À 16 exactement, c'est l'heure du tirage au sort des phases de groupe qui va tenir le monde en haleine. Toutes les équipes engagées vont enfin connaître les adversaires et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il peut y avoir plusieurs coupes de la mort. La première journée est prévue le 19 septembre et la dernière le 13 septembre. Voici la composition des différents chapeaux. Dans le chapeau 1, on y retrouve le FC Barcelone, Manchester City, championnat titre, Napoli, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Benfica Lisbonne, l'FC Séville, le Feyenoord Rotterdam. Dans le chapeau 2, on y retrouve le Real Madrid, Manchester United, le Borussia Dortmund, Atletico Madrid, le, Leipzig, Porto, Arsenal, Inter Milan. Dans le chapeau 3, ils sont le Red Bull Salzbourg de l'Autriche, AC Milan, Lazio Rome, Étoile Rouge Belgrade, Shakhtar Donetsk de l'Ukraine, Braga du Portugal, FC Copenhague du Danemark, le PSV Eindhoven. Et enfin, dans le chapeau 4, il y a Union Berlin, le Racing Club de Londres, euh, Newcastle, Celtic Glasgow de l'Écosse, la Real Sociedad Galatasaray, Young Boys de Berne, la Suisse et Royal en prep de la Belgique. Merci cher Tidiane Diagne, prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Youssouf Bodjan. Bonjour. La sortie du ministre de la Justice dont Jeune Afrique occupe la une de certains journaux parus ce matin, Ismaël Majorfal y affirme que la condamnation d'Ousmane Sonko dans l'affaire qui l'oppose à Adissar est définitive. Ismaël Majorfal avoue le crime contre Sonko, estime la tribune, qui précise que l'opposant a été déchu de ses droits électoraux et radié des listes, une sortie qui suscite des réactions dans le camp de l'ex-leader de PASTEF, Ismaël Abadjorfar qui élimine Sonko de la présidentielle, Juan Branco démontre ses arguments, nous dit le témoin. La polémique enfle entre Major et Branco, titre Walfadjiri. Selon l'avocat franco-espagnol, Sonko est pour une résolution politique et diplomatique de la crise politique au Sénégal. Nous apprend Vox Populi, le journal qui rapporte que ce que veut Sonko selon Branco. Une sortie que l'observateur qualifie de voix surprenante de Branco, le journal du groupe Futur Média qui parle de la dignité du leader de l'ex-PASTEF, la fermeté de l'État et les possibilités de dialogue dans ce dossier politico-judiciaire à moins de six mois de la présidentielle. Euh, justement le président sortant Macky Sall qui demande à ses ministres de faire focus sur le travail jusqu'au 2 avril 2024, nous apprend les échos. Nous restons avec le président Sall qui est attendu dans l'après-midi à Touba. Le quotidien dresse le bilan des réalisations du régime du président Sall dans la ville de Cheikh Amadou Bamba. Plus de 560 milliards de francs CFA investis entre 2012 et 2023 selon le journal qui liste les réalisations. Il s'agit entre autres d'Ila Touba, de l'hôpital Matlaboul Faouzéni. l'assainissement également. Plus de 100 milliards investis dans l'assainissement selon Direct News, qui rappelle également le programme de modernisation de Touba qui a coûté plus de 50 milliards de francs CFA. Le journal qui rappelle également l'interdiction par le calife général des Mourides de la politique et des dérives et conclut que Touba renoue avec sa pureté originelle. Le journal Busby qui consacre un large dossier au Magal 2023 et s'intéresse au réseau des cœurs Touba. L'influence de titre le journal Deux Médias qui a consacré un reportage à cœur Bi à Dakar et nous informe qu'il y a 17 cœurs Bi en Italie et 10 aux États-Unis. Les talibés qui viennent en masse au Sénégal pour célébrer le départ en exil de Sérine Touba, un sujet qui fait d'ailleurs la une du journal L'Info qui fait un focus sur les déportations du fondateur du mouridisme au Gabon. Justement, le Gabon, le pays d'Omar Bongo, secoué hier par un coup d'État, Ali renversé par les militaires, Gabon sans Bongo ni trompette, euh, titre le quotidien qui nous apprend que le général Brice Oligui Nguema est à la tête d'un comité de transition c'est l'Empire Bongo qui s'effondre, estime enquête qui explique qu'au terme d'une présidentielle chaotique, L'homme fort du Gabon a été déposé hier. Les quotidiens sportifs parus ce matin avec euh, Record qui s'intéresse à la Ligue des champions européenne. Le tirage au sort des phases de groupe prévu cet après-midi à 16h vers les chocs PSG, Real Madrid, Naples, Arsenal ou encore Bayern Munich, Manchester United. Stade de son côté s'intéresse à Sadio, Ismaïla, Boulaye, un trio en feu avant Algérie. 6 buts et deux passes décisives à E3 cette saison. Sadio Mané a marqué 4 buts en 4 matchs en Arabie Saoudite. Exolambe qui s'intéresse à Gris Bordeaux, le troisième tigre de face. Un lutteur donc qui chercherait selon le journal des raccourcis pour accéder au trône quand Gris Bordeaux cède à la facilité titre Sounou Bonne lecture à tous. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous a offert votre revue de presse. La revue de presse qui met un terme à cette session d'information à midi et 35 minutes. Merci à Abdoulaye djopé Kaderlo à la technique digitale Yacine Pouy, réalisation et Ella Ndiogoudjen, chef d'édition à Wambaï. Merci à toute l'équipe. Merci à vous surtout de votre fidélité, chers auditeurs. Gardez l'écoute. Retour de l'info à 13h, la grande édition d'information en Wolof avec euh, Barthélémy Gomme. Tout de suite, direction Touba Baké. Retrouvez notre équipe sur place pour le journal du Magal présenté par Georges Détchédiop. Merci, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Touba, le journal du Grand Magal. Le chef de l'État attendu à Touba, Makissal, arrive dans la cité religieuse cet après-midi. Touba, où il va séjourner jusqu'à demain, vendredi. Une rencontre avec le calife général des Mourides est prévue, comme à l'accoutumée d'ailleurs. Le chef de l'État va faire le point sur ses réalisations à Touba depuis qu'il est à la tête du euh, pays. Autre leader euh, politique annoncé à Touba ce jeudi, Bougan Danish de Gumsabop. Le Magal, c'est lundi. Le comité d'organisation prend les devants pour prévenir les bousculades à la grande mosquée. Une forte affluence y est notée chaque fois. Un dispositif particulier mis en place pour euh, contenir les milliers de pèlerins. Reportage sur place d'Ongoka. À la sortie de la porte arrière de la grande mosquée de Touba est implanté un atelier de soudure métallique. Ici, les ouvriers n'ont pas de temps à perdre. Chacun s'affaire sur sa tâche. Les rôles consistent à remettre à bon état des dizaines de barrières posées sur place les coups de marteau sur les pièces à redresser et le bruit des chalumeaux posés sur les matières à souder font l'ambiance. On peut aller l'écart, un autre ouvrier peint les garde-fous déjà prêts. Le travail est supervisé par Balle Diouf. Les barrières sont essentielles dans le dispositif de gestion de la foule. Elles permettent de séparer les hommes et les femmes afin de veiller à la sacralité des lieux. À la veille de chaque magal, nous sommes ici pour euh, réparer tous les garde-fous. Nous avons à notre disposition entre 500 et 600 barrières. Le tailleur n'est pas loin. Eh, Mamour Diop est bien installé derrière sa machine à coudre qui vibre sur un long tissu blanc. Des tissus de ce genre, il en a cousu beaucoup devant servir de rideau pour maintenir davantage la distance entre hommes et femmes dans ce lieu de culte. Ces rideaux ont une longueur de 21 mètres. Les barrières font partie de la logistique pour organiser la foule qui accède à la grande mosquée. Et face à cette forte affluence, les scènes de bousculade sont très redoutées. Mais Baledjouf est conscient des conséquences graves qui peuvent en découler, raison pour laquelle il dispose d'hommes bien formés à la des foules. Pour éviter une bousculade, nous avons formé nos éléments dans ce domaine. Ils savent comment gérer et aborder une foule. Atul Khidma a mobilisé 13 daïras pour euh, contenir l'affluence. 13 daïras. À quelques jours de l'événement, le comité de gestion de la grande mosquée de Touba semble être fin prêt pour accueillir la grande affluence. La propreté de la grande mosquée de Touba et ses environs, une priorité pour les daïras. Et pour ce faire, des cellules de nettoyage sont organisées, même en dehors du Magal. Mais cette année, les effectifs ont doublé. Mamadou Omar Le mécanisme est devenu un réflexe pour Khadim. Il ramasse tous les ordures dans et aux alentours de la mosquée pieds nus, quelques sachets entre ses mains, il est quasi impossible de le faire parler. Ah, il faut alors se rendre à ce qu'ils appellent ici le bureau. C'est à partir d'ici que tout est coordonné. Serine Fallou est membre du comité d'organisation. À chaque fois, il y a une cellule du Daïra qui s'occupe euh, du nettoyage des lieux et veille à ce que tout reste propre, même en dehors des événements comme le Grand Magal de Touba. Mais en ces périodes, on renforce l'effectif des pour les travaux de réparation. Ce vendredi, la mosquée va refuser du monde, Serigne Fallou en est sûr et il s'y prépare. On s'y prépare en augmentant le personnel. Par exemple, chaque vendredi, on fait plus et tout le monde est présent. Nous sommes renforcés en cela euh, pour ceux qui sont venus des régions et ailleurs. Les daïras chargés du nettoyage de la grande mosquée sont prêts à accueillir les fidèles et ce vendredi, est un test en vue du Grand Magal. Santé à Touba, la fondation Sonatel enlève une épine du pied aux autorités locales. Elle a offert deux ambulances médicalisées au district sanitaire. La fondation a été sollicitée par les autorités locales, le maire voulant mettre un terme aux évacuations sanitaires à risque. Papa Balagui a assisté à la cérémonie de réception. C'est dans une ambiance conviviale que le maire de Touba a reçu les clés des deux ambulances médicalisées flambant neuves de la fondation Sonatel équipé donc aussi actuellement intervenant dans les domaines de la santé et de l'éducation en priorité la fondation Sonatel a répondu à une sollicitation urgente souligne Sékou directeur général de la Sonatel la fondation Sonatel a répondu à un appel passé par euh, la commune de Touba à travers le conseil municipal qui avait une forte ambition pour euh, améliorer le plateau médical et c'est à ce titre-là que la Fondation Sonatel a décidé donc de participer à, ce projet avec deux ambulances médicalisées. Heureux de voir la doléance satisfaite, Abdelhadka, maire de Touba, déclare vouloir soulager les populations, surtout en cas d'évacuation. S'il y a un malade à évacuer et que le poste de santé ne dispose pas d'ambulance ou qu'elle ne soit pas disponible, cela est risqué. Deux à trois postes peuvent appeler en même temps pour référer quelqu'un. Avec le déficit d'ambulance, un malade ne peut pas attendre. La remise des clés effectuée en présence du médecin-chef de district docteur Ndemaguette Diop demande de plus afin de relever le plateau technique. C'est venu au bon moment mais nous prions pour que cela continue avec d'autres ambulances mais aussi en termes d'équipement nous en avons besoin vu que la Sonatel a équipé beaucoup de tôt, donc faire de même pour le district sanitaire de Touba on a besoin d'appui. Donc vraiment Un appel bien entendu par la direction de la Fondation Sonatel qui a décidé d'étudier la à présent, le marché à quelques jours du euh, Grand Magal, les prix des produits de grande consommation sont toujours trop élevés. Oui, tout est cher, n'empêche, les mères de famille comptent mettre tous les moyens pour un bon séjour des euh, pèlerins dans la cité religieuse. Ali Matoussar. Moussa et Mort sont des grossistes. À les entendre, le marché n'a pas connu une amélioration. Tout est cher. Ah,

les ménagères n'en peuvent plus de cette situation qui selon elles devient de plus en plus intenable wóor na yàlla ma daan yobbu 3000 ci marché bi yalla xamna ko bo yobbo 5000 ba duggee pare do matal sax surtout marché bi soble si nag moom ak pompiteer bi mom mo gëna ser mom day gëna a tar day gëna metti da bo don def euh, fukk léegi ñaar fukk ngay def mom mom day gëna metti mom mais elle ne compte pas les lésiner sur les moyens pour faire plaisir aux pèlerins bu fi affaire bi nekké mom am nañ xol bi pour joxe ko macha allah moom lu mu seer seer ak lu mu metti metti moom incha allah léppay baax bu yalla yàlla Alimatou Sarr merci c'est la fin du journal du Grand Magal de Touba. Merci à toute l'équipe de la RFM sur place. Merci